grand par rapport à l'expérience L'expérience ramassé yëpp expérience bi nga am dund football Sénégal Nous ñu 11 types sa <laughs> l'histoire du football Sénégal. 11 11 type histoire du football sénégalais. Uh-huh. ah Je suis gardien de but je def Amady gardien de but. Amady Thiam Amady uh-huh. arrière droit. Roger Mendy. dans l'axe. Omar Diop Diakhou à gauche. Ibrahima Ozobio. au milieu. Euh, Léopold Diop. ak Yaama Góor Seck ci kanam Mënër Mbaye Fall ñu dem ci kaw Koulibaly ak Yatma Diop ak El Hadj Malick si suuf je pense que ni onze yi mat na foofu noonu ñu dem ci remplaçant yi ñu ci remplaçant waaw gardien de but waaw waxoon naa ko ma indi Mansour Wade Mansour Wade waaw ñu dem acca euh, latéral gauche Petit Petit Gueye Petit Gueye waaw uh-huh, remplaçant remplaçant Axibim indi euh, Omar Touré. Omar Touré. Mhm. ak un mhm. te tu na de. remplaçant rek il faut ma remplaçant Gueye le premier libéro goréen a joué en première division titulaire à Sochaux. Mhm. kooku mënuma ko ci Ablaye Gueye. mu dugg ci remplaçant à la place de moto kon taw day génn foofu. sax day nekk. day am nga cinq remplaçant taxaw na. xaar xaaral ma dugal Sadio Mané. Sadio Mané foofu mu ne ci. Sadio Mané bu béykat si baax bi vraiment. Mhm. ak El Hadj ak El Hadj Diouf. comme ça je pense que ni onze yi ak euh, remplaçant yi mat na. Ah.